chaîne des grands événements. C'est vrai que nous sommes ici à Côte d'Ivoire donc euh, pour le besoin de la 15e édition de FEMUA, euh, Festival des musiques urbaines d'Anamabo. C'est vrai que c'est un grand festival euh, qui date depuis 15 ans, un festival qui réunit donc toutes les grosses pointures de la musique internationale. Et cette année-ci, donc on a notre légende vivante, donc la star sénégalaise Baba mal donc n'est-ce pas, donc qui va se produire ici donc à Abidjan, donc pour ce grand festival, mais également le franco-sénégalais Bouba qui sera de la partie et tant d'autres stars également. On est là là pour vous faire vivre donc l'ambiance qui règne ici donc durant tout au long de ce grand événement mondial mbokk yeeg xarit yi ñu ngi am plaisir di andak ak donc ci biir beglen beglen nak xam ngeen nu muy à chaque fois euh, donc muy Paris ah muy euh, Bruxelles hein muy euh, Congo muy Abidjan donc muy fi nga xamantene mom moy Dakar ci région yi Sénégal yi partout fu grand événement am rek dañuy déplacer wu dem jëli donc lolu moy suñu mission le public notre raison d'être encore plus proche de vous c'est ça notre slogan moo taxit à chaque fois événement yu toll ni am grandeur candidature duñ ko baye gennaw dañuy dem jëliko pour sen mbégte motax nak tay ñu téw fi and ak yéen donc ci biir Begleen international la donc Khadija mo nek ci caméra bi ci micro bi njàg ba dinaa leen donc ambiance bi fii reñee donc euh, madame avant pendant après cet événement parce que nak événement bi nak yemul rek euh, ci musique euh, donc ëmb na lu bari hein donc dinañ ñëwaat ci thème yi ñëw également ci initiateur bi Asalfo jël nañ ko donc momit it waxtaan ak mom ci festival bi nga xamante déjà dem na bo nek institution presque ah, fii ci nous euh, dinañu également euh, sénégalais yi Abidjan manam sen téway également également public bi à chaque fois dañu ñëw di ci concert yi nga festival bi li moy leen dañuy wër rek da may ambiance FEMUA 2023 c'est parti dans la mer, dans le désert, à la recherche d'une meilleure vie. Nous interpellons également nos gouvernants afin qu'ils fassent vivre le rêve aux jeunes Africains. On va écouter cette mélodie, la chanter ensemble. Yeah. Aujourd'hui, c'est la fête, hein Bonjour au Sénégal, hein super ici à Abidjan. Le Sénégal te dit bonsoir. Bonsoir, bonsoir au Sénégal. Beaucoup de soldats sont tombés au front. J'étais aperçu à de, de, faire la fête actuellement, j'étais aperçu, hein, en train de danser, vraiment, c'était la fête. Ah, j'adore le reggae aussi. Nous rendons hommage au FDS, au VDP, à tous les soldats burkinabés et euh, africains. Rejoins ensemble. Ah super. Ah là, il faut l'écouter. C'est le top, ça, la chanson. Burkina Sola. Burkina Sola. FDS Barca. Con luz da Burkina Sola. Ni fond, fome, ni non tu as mis le feu, tu as déchiré, tu as cartonné. Vos impressions après votre show euh, Je suis vraiment très contente et honorée parce que c'est un public chaleureux, un public qui reçoit les émotions et qui les redonne. Donc euh, avec le groupe, on est, on est vraiment content. Ça vous fait quoi d'être invité d'honneur en tant qu'artiste Un grand honneur et je disais que c'est un défi à relever. Je pense qu'on a mis les petits plats dans les grands et je pense que le public a bien réagi. Je suis très très contente. Merci au FEMIA, merci à Gaou Production, merci à vous. Merci. Voilà, le show continue tranquillement donc à l'occasion de la 15e édition donc, du euh, festival des euh, musiques urbaines d'Annamabou, organisé par Asafo. Aujourd'hui, on est là parce que euh, Baba Mal est là, Bouñ fi donc parce que Domoro réew mi na et puis c'est l'invité d'honneur de ce grand festival On tax fait bala moo sur scène dañu nous quelques impressions Khadija ñu daal di nous rek ñu Salut monsieur, tu vas bien? Oui, je vais bien. Ça se passe? ça Aujourd'hui, c'est la fête chez vous, Comment vous avez trouvé euh, bon, pas, Mal, c'est l'invité <laughs> d'honneur de ce grand festival. Euh, comment vous l'appréciez en tant qu'Ivoirien euh, En tant qu'Ivoirien, je suis vraiment fier voilà, de participer même d'abord même à la sécurité de, de FEMUA. Voilà, vraiment c'est une fierté pour moi. Et je remercie toujours que ça continue de, la bonne façon. Quoi. Donc ah, tu es hein? prêt pour le show, hein Tu pour le show. On est ensemble.

Le, de quoi GPS, ça fait plaisir. Mais bu lii de ñu def invité d'honneur cela montre que la musique sénégalaise est bien représentée BABAMAL Mal, c'est une légende de la musique mondiale je veux dire mais su Amé, elle est sur la grande scène nga am fi Baaba c'est une fierté en tant que sénégalaise primo et second en tant qu'animateur on va écouter de la bonne musique et Sénégal va gagner inchallah voilà ñu gis région bi dafay faral di amal festival yu mais souvent ça manque à notre pays festival yu il y a am grandeur euh, dayo euh, dayo bu toll souvent lan moo waral souvent manque d'organisateur la manque de wala la. voilà je peux dire à chaque fois ak Magic System Baaba Maal moo ko jiitu musique Youssou Ndour musique les grands noms de notre pays n'ont rien dit ci musique donc vous devez ba teg je pense que. Nous war nañu mëna a lu ni mel mais aussi état bi aussi japp naa ni xel bobu ñi ngi ci parce qu'à travers notre président ou bien président bi respectons la ñu culture lañ donc quel que soit alpha nañu accompagner artistes mais mais artistes est-ce que dem nañ envers ñom wax leen ni dinañ festival bu ni mel ñun on mérite d'avoir ça parce qu'il y a des des crèmes de la musique sénégalaise il y a des grands noms de la musique sénégalaise ah, am nañu musique quoi pourquoi un festival bu mel on mérite ça et je pense que si tu vas au Burkina c'est comme ça au Congo c'est comme ça Togo c'est comme ça Paris c'est comme ça oh euh, Big Taf Il des fàtte aussi. aussi a festival les Blues du Fleuve mais seulement c'est au nord euh, du Sénégal mais à Dakar vraiment on mérite d'avoir ce genre de festivités mais je pense qu'à travers Berlin, non le message va passer

un grand comédien un grand humoriste moom it macha allah nekk artiste ndaanaan euh, ci Sénégal euh, Ndiamacate. yaa ngi partout yooyu de. mais man maa ngi maa ngi nii. loo fiy def. waaw comme comme musicien yëpp ah. man dafa ñëw dafa ñëw en tant que ndax dañoo dañoo oh, woy woy Baaba Maal dañu see teg woo man dama ku ko Baaba Maal lay ñëw da war a ñëwaale. ndax man Baaba Maal en tant que grand chanteur. ndax balaa partenaire dama dama participer son Black Panther moo tax bañ ko woowee woo ma c'est ça. waaw léegi woy tey ah, waaw tey dama ñëw pour woy ndax sama orchestre indi naa leen fi ba woy ba ma lañ maa woo teg ma ci. kon li may wax ni waa Sénégal dañ ma war a respecté taxaw ni man musicien la. international moom rek comédie musicale lay def. comédie musicale mais artiste hors pair yow da nga osé vraiment ànd benn touche personnelle ngay def comédie musicale mu nekk loo xamante ne prestation tey jii nga def comédie musicale aussi noo gisee lolu mais ñak ba xam nga yow tey jii réew ku bëgg lu neex day jaar sa émission tàq yeneen a ñëw mbiru yalla la yàlla la ko defal ba tax na daal yow. yow da nga participer suñu carrière ba tax na dañu ci sant aussi am nga ci am nga ci part de responsabilité yow ba mu woy sa émission à chaque fois mu woy mais saa war ñëw parce que bon xamante nañ quoi té kenn mu a lepp mu ngi noonu léegi nag euh, dañuy festival bi noo gisee tey euh, Baba Maal nekk légende nekk invité d'honneur ah nekk vraiment euh, représentant Sénégal tey noo gisee loolu. waaw mais loolu Baba Maal bettul kenn Baba Maal bettul kenn maam maam nekkul sax lu ngand ngand ndax Baba Maal dépassé loolu Baba Maal dépassé na dépassé ngi ci au niveau inter xamal inter xamal ak lan. le festival de musique urbaine d'Anamabo. Je suis avec la star, l'incontournable Singila. Salut, comment ça va ah, on, est sur, la RTS, la chaîne sénégalaise. ça fait plaisir d'être en direct au Sénégal. Ah, j'adore. Ça fait longtemps le Sénégal. Ça vous fait quoi en tant qu'artiste international d'être invité d'honneur parmi les invités d'Assalfo Ça vous fait quoi Ça me fait plaisir parce que euh, c'est le FEMUA c'est devenu une institution et euh, ils ont besoin d'artistes pour fédérer, pour attirer du monde, pour pouvoir parler de causes importantes. Donc ça veut dire que je suis un artiste qui, euh, qui justement rassemble. C'est une bonne chose parce qu'il y a beaucoup d'artistes et il a fait appel à moi, donc c'est un honneur. En public show, vous attendez déjà euh, sur scène. Qu'est-ce que vous promettez au public Alors, je suis venu avec euh, un band, donc c'est du live. Je vais euh, chanter quelques-uns de mes classiques. Je vais donner de mon énergie, mais surtout de mon cœur. Donc, j'espère que le public est prêt, qu'il a de l'énergie aussi, parce que ça va être la compétition entre nous sur scène et le public. Ok, après Côte d'Ivoire, on aimerait bien euh, voir Singila à Dakar. Pourquoi pas Parce qu'il y a un public euh, chaud, un public de Singila qui vous attend depuis longtemps. Mais ça fait longtemps qu'on ne voit pas à Dakar. C'est vrai, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas été à Dakar. Et il est temps que je revienne. Donc, euh, mon équipe et moi allons nous rapprocher de bons organisateurs pour que l'expérience sénégalaise soit parfaite euh, et, qu'on puisse euh, donner le meilleur de nous-mêmes pour que les Sénégalais passent un bon moment. Je disais que Singila a un public show à Dakar, un public show qui l'attend depuis longtemps. À quand l'arrivée de Singila à Dakar Je ne vais pas vous donner la date tout de suite, mais c'est vrai que même sur les réseaux, et quelques amis euh, du Sénégal me disent que beaucoup de Sénégalais adorent ce que je fais. Donc il est temps que je vienne. Alors on va organiser ça, on va se rapprocher de, bons organisateurs pour que l'expérience sénégalaise soit parfaite pour euh, ouais, que je sois dans les, dans les bonnes conditions pour donner le meilleur show possible aux Sénégalais. Ouais. En tout cas, merci Singela, à tout à l'heure sur scène. Hein J'ai dit, dit, aux Sénégalais, je me suis trompé, c'est à mes frères du Sénégal. Merci bien, voilà, on est d'accord. sur scène,

pas l'un sur l'autre de nos veillants. Je suis son homme, je suis son compagnon. Dans l'ombre sans sa maison pour réveiller aucun soupçon. Parfois j'ai l'impression qu'elle est parfaite, faite pour toi. Et son sourire me procure sans toi. Tu voulais, mais jamais ne l'entendra. Je ne peux pas lui dire que je l'aime. Elle serait plus loin. Je ne peux pas la voir avec un autre homme. Elle, c'est en moi, La pas si elle reste. Elle avait qu'on vive ensemble de conduis les enfants, mais c'est que je ferai avec une autre. Elle, se le en n'inventera mais ça, je ne supporterai.

sénégalaise. On est sur la chaîne sénégalaise, la RTS. Vous êtes de quelle nationalité Ivoirienne. Ivoirienne. Aujourd'hui, Babomal, mal. l'artiste sénégalais, invité d'honneur de Astalfo. Ça fait quoi Ça fait plaisir de savoir qu'un artiste sénégalais euh, est aujourd'hui invité encore Côte d'Ivoire sur la scène du FEMUA. Ça nous fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que tu attends de son show Tu attends quoi de son show vraiment qui, met la prothéose, qui met du boom dans le cœur de tous les Ivoiriens, qu'ils soient euh, puisque nous l'aimons, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est une même famille et tout ça. Donc du coup, on attend qu'il fasse du show pour tout le monde. Quoi. Bonne fête à toi. Bonne fête à vous. Hein. Euh, ah. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien Oui, ça va. Vous vous appelez comment Rosely. Vous êtes ivoirienne non Non, je suis congolaise. Congolaise Vous venez de Congo comme ça Oui, euh, non, de Cocody, je, vis ici, oui. Baba Mal, l'artiste sénégalais, il est invité d'honneur de Asalfo, de ce grand festival. Qu'est-ce que vous attendez de son spectacle Bah, qu'il mette le show, quoi. Bah, ouais. Euh, ça vous fait quoi de voir ces grandes festivités réunir tous les, toute la jeunesse, par exemple Ça vous fait quoi euh, ah, c'est la deuxième année que je viens et c'est vrai que c'est une belle vitrine pour la jeunesse d'avoir un tel euh, festival d'une telle envergure. C'est super, c'est super parce qu'on découvre beaucoup d'artistes et euh, c'est génial. On est prêt pour le show, hein Pardon On est prêt pour le show. Bah ouais. <laughs> Merci. Alors monsieur, toi tu es français Oui, français. C'est ta première fois Non, c'est ma troisième fois. Pour le festival tu es habitué alors Oui, habitué. Mais c'est toujours un plaisir de venir. c'est toujours un plaisir de, venir. Qu'est-ce qui t'a marqué de plus euh, à travers ce festival Qu'est-ce qui m'a marqué le plus bah, J'avais vu euh, Salif Keita. C'était ma première fois de le voir et j'avais beaucoup, beaucoup apprécié. C'est un, bon souvenir pour moi. Aujourd'hui, on a Baba Mal aussi, la, la star sénégalaise, qui doit monter tout de suite sur scène. Qu'est-ce que tu attends de son spectacle, toi bah, j'attends qu'ils mettent en valeur la musique euh, sénégalaise et qu'on sente vraiment que c'est une musique du Sénégal et qu'ils nous fassent découvrir un nouveau style de musique. Merci, bonne fête festival de musique urbaine Danamou c'est vrai que ñu ngi ba tey Abidjan donc nous euh, ba tey ñu ngi koy doxal ah di leen woon dëkk bi waaye tamit di leen woon ay ci musique comme nous ñu defee woon ak Baba Mal, def ko également ak euh, Booba def ko ak Singila def ko également ak les grosses peintures de la musique mondiale Mangi ngi ak yeneen ndaanaan ñoo c'est des révélations de la musique sénégalaise c'est des stars c'est la nouvelle génération the best family xamul nous sommes xamul non. après dina leer gaay awa ah noo def. maa ngi nii naka la. yaa ngi cool. cool alhamdulilah. mais ñu ngi Abidjan. waaw ñu ngi biir Abidjan. ñu ngi neex. waaw ah, neex na moom vraiment. ay ca lan ma waraloon seen teewaay tey. waa tout d'abord dañuy am contentement bu rëy tey di jàkkaarloo waat ak écran yi et on est fiers d'être euh, à Abidjan dañu ñëwoon ci festival bi bu def suñu prestation. c'est vrai que The Best Family ngeen nekk ay ndaanaan groupe mythique également depuis booba tey yéen nga doxal di génne ay single muy neex d'ailleurs ça EP bi nice aussi ah naka ngeen def boo am contact yi pour ñëw ci festival bi parce que festival bi tamit festival international la c'est pas donné à tous les artistes ah contact yi link yi fu mu jógee. link yi ku ne xam ne Matar Diop Subatel moom ah waaw xam nga rek.

Euh, scène boo xamante ne Baaba Maal toj na ko également ak euh, daay mën ak ñeneen ngeen taxaw fa tey toj ko yéen tamit ban euh, sentiment ngeen am. waaw dañuy kontaan kontaan la ñuy am parce que ñu jógee ba Sénégal xam nga am ay nit ñoo xam te ñu ngi leen doon yàgg a suivre ñuy toj ñu yàgg bëgg tamit bokk ak ñoom ay scène xam nga xalaatuñ ko woon sax ba ñuy nekk booy mais rêve la woon tey ku si mel ni Grand Fall ku si mel ni tonton Matar Maxu Subatel fexe def le tout ba réaliser loolu noonu donc benn pas de plus la quoi. dañu leen siy sant di si gërëm contentement la boo xam te ni fierté boo xam te ni sénégalais yëpp instant fier nañ si The Best Family. justement coow li bari na bala ma leen di bàyyi parce que nag euh, gisuma pap gisuma booy pap ana pap pap mi Sénégal. <laughs> lu tax ñëwul. mënoo ci wax. après dinañ si wax <laughs> da yomb da yomb trop ana keneen ki keneen ki. non mooy après dinañ si wax. non non en fait euh, coow li bari na Dakar. yaa ngi koy déjà. bon waxtaan wax dëgg télé fans yi bëgg nañu xam aussi euh, da ngeen jógee euh, Zobest wala. waaw jóge Zobest. mais dangeen ngeen fa jógee mais dafa am ñu des également. waaw dafa am ñeneen ñu des Pabilal moo des. voilà Pabilal moo manqué mais aller retour yi déjà jógee suba teel dem Zobest jógee waat Zobest demaat suba teel pourquoi loolu. ah mais juste parce que liggéey la rek ànd la ak tàkkalikoo comprendre bés suñu père la suñu lépp la ndax suñu liggéey ak moom dafa waroon jeex mu jeex ñu continuer ak Matar ñu continuer ak Matar xanaa waxtaan du leen seen biir parce que bu waree jeex tamit pour man da ngeen war a waxtaan seen biir bu ko defee membre yëpp ñëw mais bu ngeen nekkee ñett yeneen deux yi des tamit loolu tamit mën na yàq mën na yàq ci liggéey bi dara mais bu jëree waxtaan ñu waxtaanee ko ah. mooy ko nañ ko sax mais xam nga mooy li ma lay wax la groupe la avant nous ñoom Fatel bàyyi nañ par benn benn ñoom daan et tout ça xam nga peut-être ñun ñoo euh, The Best Family moo tas ci boppam The Best Family moo tas mais nak the best mais the best the best tourbi déjà tourbi, the best moment. ah mais on est toujours the best Family. mais droit. non bien sûr. Ah, mais the best. non parce que the best notre the best c'est T H E. B E S T Family. Benenbi bi n B c'est the best. Z B E S T. <laughs> en tout cas yàlla na jàmm yàgg li mooy showbiz ah li mooy musique the best sama xarit la Matar Diop sama frère la ñoom ñëpp samay doomu ndey lañu c'est le Sénégal qui gagne ku nekk da nga yor sa label aussi hein. donc loolu la ñuy wax euh, maanaam euh, nu ñu koy waxee am dem ci club club dem ci club nu ñu koy waxatee. non pas transfert am na beneen. Ah, mercato bi. voilà mercato bi commencé na <laughs> sama gars mercato bi commencé da ngeen di comprendre showbiz la comme ni sport nekkee euh, business Sadio Mané jógee fii dem fale mercato la euh, tey yéen a ngi suba teel bu subaa mën ngeen leen mën leen séntu Prince Art. <laughs> suba teel suba teel suba teel ah mais waa mais. Ndiak Ndiak li muy def moo ko tey. Ah, wax ak Ndiak. ak ko Subatel Ndiak ñun ak Subatel Beleuz en tout cas merci beaucoup merci beaucoup à vous di leen souhaite souhaiter une très bonne continuation di xaar single bi aussi hein? dernier mot bon dañuy def lu big up gars nga xam ñom lañu la comme ku ci melni ndjay dollar staff bi ku ci melni euh, ni Bas Zemena lolu, ku ci melni ni Bas Zemena lolu, ku ci melni ni tonton Fall ku ci melni ni Matar Maxu Subatel xam nga Zoxu vraiment ñom ñep ñu ngi leen di bëggee gaay yi sonn nañ ci wa Abidjan wa Sénégal content. merci beaucoup ay c'est madame dem benen danan yenen danan ci bir Abidjan ci bir euh, festival FEMUA top len ma ci benen ambiance ak yenen star c'est parti voilà mbokk yeeg xarit yi ñoko ko donc ñu ngi ci ben lac bu rafet bo xamantene mu ngi ci autoroute bi déjà autoroute autoroute bi sur le lac bi nek lac bo xamantene déjà euh, neex na pour feexlu waye tamit euh, image yi bokay xol déjà rafet na vie bi nice na donc li moy capitale africaine yi donc li moy bëgg leen sama gaay dañu enchaîner dans un instant ma joxaat une ambiance jëm ci FEMUA 2023 ñu daal ñëwaat dans un instant pour la suite c'est parti on fait un maximum de bruit pour vous hein.

Jesus, us. Rebels against us. Not too Jesus, Rebels, the enemy, and Also next to sur Amistad, the pose une Eu Felipe Fábio! jaloux Avec ma mère dans un pied, il mon blanc que oh, je me Je vais baisser, mais je vais trouver toi pour niquer La télé est la sienne à même plan Roda, Fonda, Mara, Paquel Dans de mes 10 ans Le savoir est une arme Pas sous moi je suis très intelligent On boit ça, diligence Emmené en dans toute résistance Combat, c'est ça, 40 000 dans une résistance Mauvais mauvais

Une fois, fois, fois. Oh, nous Nusu Mefwili, l'argent marchandise à bousé, dans le boulot c'est la posée, des assassins comme si qu'on vous mal passé. Kalashnikov pas de chache, mwen se senti yo fout chombe, a yo posè mwen tap chombe, chame patre mwen les fokon akousi yo blese, nèk yo sam chata yap tire, a tap kouri, kafout ke sori, mwen un mwen de fote, mwen kase mwen et Yo hem Wamekwenda à présenter 2023, Abidjan, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Je suis avec une charmante dame. Tu vas bien Très bien, merci. Vous vous appelez comment Aïpolinda. Vous êtes mannequin ou bien miss Je suis actrice de cinéma. Ah oui Vous avez déjà, joué quelle série, quel cinéma, quel film Les coups de la vie, Héritage et compagnie. J'ai même joué à Hollywood. Voilà. Vous l'avez reconnu sûrement, c'est une grande star de cinéma. Donc c'est ça. Ça vous fait quoi d'être là ce soir pour ce festival je suis contente parce que par rapport à la Côte d'Ivoire, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un événement qui, euh, qui conduit vraiment les, où les pays convergent. Voilà. Et donc, euh, c'est un événement phare. C'est ce que je veux dire. En tout cas, c'est la culture, c'est la musique, c'est le cinéma. Tout ça, ça, ça colle, quoi. C'est la même famille, comme on dit. J'ai signé pour le départ, je plus long. On se pas le dos, les gros pas le coup. On s'est croisé à Hollywood, personne n'a pris l'avion. ils sont des gars, du du lasso. J'ai vu l'ennemi en hallucination. tout le je ça perd Dans le quartier, c'est soir non je vais pas rentrer Et voilà, chers amis, l'ambiance à Côte d'Ivoire se poursuit tranquillement. On est là donc depuis euh, alors pour euh, les besoins de la 15e édition donc de FEMUA festival euh, des musiques urbaines d'Anamabou avec Asalfo, l'incontournable, star. Hein. donc, euh, on est avec lui avec, pour un grand plaisir hein, pour l'interviewer à travers ce grand festival. Asalfo, euh, bonjour. Bonjour. Vous allez bien bah, Je vais bien. Ça se voit que je vais bien, non 15 bah, années après, toujours au top pour ce grand festival. C'est quoi le secret mais Le secret, c'est la confiance des populations, la confiance des artistes, la confiance des médias. C'est toutes les valeurs qui sont prônées dans ce festival qui sont son socle. Et aujourd'hui, si le FEMIA est à ce niveau, c'est parce que chacun a apporté sa contribution, depuis le premier artiste jusqu'au dernier aujourd'hui. En tout cas, ça est devenu un grand festival avec des thèmes différents. Cette année-ci, le thème, c'est sécurité alimentaire et agriculture durable. Pourquoi ce choix pour cette année tout simplement parce que pendant la crise Covid, euh, suivie de la crise euh, russo-ukrainienne, on a vu euh, certains de nos dirigeants accuser l'Occident d'avoir créé l'inflation en Afrique. Tous nos denrées alimentaires ont connu une inflation et on a compris tout de suite qu'on dépendait encore de l'Occident côté alimentation. Mais ce n'est pas normal parce qu'il y a un paradoxe que la démographie africaine a un avantage d'avoir 70% de jeunes et que c'est cette euh, ce continent-là qui tend la main aux autres. Donc je me suis dit, qu'il euh, il fallait qu'on interpelle les jeunes à prendre conscience euh, que l'entrepreneuriat agricole peut être un début de solution à l'indépendance de l'Afrique sur le côté alimentaire. Pour être autosuffisant alimentaire, il va falloir que nous nous réinventons. Il va falloir que nous donnons à notre jeunesse le rudiment Euh, dire aux jeunes que euh, l'agriculture, ce n'est pas seulement pour les paysans et qu'on peut être jeune et apporter son plus, mettre des initiatives, de sorte à ce que d'ici 2030, nous soyons, indépendants, euh, autonomes par rapport à, la... Donc, certains ont parlé de souveraineté alimentaire. D'autant parler de sécurité alimentaire, mais l'un dans l'autre, il faut que l'Afrique puisse relever le défi. On voit euh, maintenant, c'est un festival qui, qui, dépasse la culture, hein, qui dépasse la musique. Parce que quand on parle de euh, festival de musique urbaine, hein, maintenant, quand on parle aussi de l'agriculture, des fois on parle de l'élevage, des fois on parle de vraiment différents thèmes hein, donc, euh, qui, intéressent la société. D'où vient cette idée de vouloir mixer tout ça ben, Écoutez, le musicien d'avant, ils donnent des galas dans les palais. ils vendent ses albums. ils vendent ses tickets de spectacle. Et nous, aujourd'hui, on a compris qu'il fallait aller au-delà de ça parce qu'on a la chance de faire un métier qui peut être un canal pour promouvoir des valeurs. Et il ne fallait pas faire un festival comme tous les autres festivals, sinon on n'apporte aucune valeur ajoutée. On s'est dit, si on a un canal qui s'adresse à tout le monde, alors il fallait profiter de notre festival pour pouvoir mettre des artères qui peuvent aider pour le bien-être des populations, donc la formation, euh, euh, l'information, les conférences, les rencontres avec les, jeunes, à faire un à sportif parce que le sport aussi crée la cohésion. Donc c'est l'ensemble de tout ça qui a fait que notre festival a une certaine originalité et qui fait qu'il ne ressemble à aucun autre festival. Voilà. Nous sommes à la 15e édition déjà, donc après Alpha Blondie, hein, Diamond Platinum, euh, Sidiki Diabati, on a vu Baba Mal. Comment vous faites pour décrocher toutes ces grosses peintures de la musique Est-ce que c'est facile ben, Parce que tout le monde adhère aux valeurs que nous prenons. On ne peut pas être un artiste et puis ne pas avoir pour valeur le partage. Tous ces artistes que nous approchons, Baba Mal et tout ça, ce n'est pas pour les cacher qu'ils viennent au FEMIA. Sinon, je n'aurai aucun artiste dans ma programmation. Ils viennent généralement au FEMIA parce qu'ils adhèrent aux valeurs, à la vision que nous partageons. Et c'est plus facile de déplacer un artiste pour des valeurs que de vouloir le payer parce qu'ils savent que ces populations-là n'ont pas l'argent pour aller les voir en concert. Donc ils viennent jouer devant des populations qui rêvent de les voir mais qui n'avaient pas les moyens. Baba Mal, quand il vient en Côte d'Ivoire, il joue à l'Hôtel Ivoire, il joue dans des grandes salles. Monsieur, là, les gars d'Anoumambo, ils n'ont pas l'argent pour aller les voir. Donc, c'est une occasion de venir les voir euh, euh, ici. Bouba, son dernier concert, c'était au Stade de France. Comment est-ce que quelqu'un dans Noumambo peut rêver de voir cet artiste sur scène Il n'y a que le mieux pour faire ça. Et ces artistes-là viennent parce qu'ils ont des valeurs. C'est vrai que vous êtes euh, mais quand même vous apportez euh, en plus pour la culture sénégalaise. La preuve, en 2021, si je ne me trompe pas, euh, le Sénégal était invité d'honneur. On a déployé pratiquement tous les jeunes artistes sénégalais. Donc on avait vu The Best Family à l'époque, Chérifou, Jobs Brand, tant d'autres. Hein. Comment vous faites pour faire le choix pour les pays souvent Pour les pays invités d'honneur, pour faire le choix, par exemple pour le Sénégal, il n'y avait pas beaucoup de critères l'une des plus fortes communautés euh, en Côte d'Ivoire, c'est la communauté sénégalaise. Chaque Ivoirien a son Sénégalais. Ça, c'est de un. De deux, les liens historiques qui lient nos deux pays. De trois, le Sénégal est avec la Côte d'Ivoire les pays phares de la sous-région. Donc il y a cette cohésion, il y a cette entente. Vous savez, c'est la même famille. D'ailleurs, les métis ivoiro-sénégalais sont les plus nombreux. Donc euh, aujourd'hui, pour moi, c'était tout à fait normal. Donc le choix des pays est basé sur les liens avec la Côte d'Ivoire, sur euh, aussi euh, l'implémentation de leur communauté ici, mais surtout aussi pour créer euh, cette intégration africaine voulue depuis longtemps par nos pères. Donc la culture vient combler ce que la politique n'a pas pu faire pour terminer, on ne sera pas en Côte d'Ivoire, autant on ne pas parler de, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est en janvier, donc c'est bientôt. Il y a les champions d'Afrique qui seront là. <laughs> Certainement que tu vas supporter la Côte d'Ivoire, hein. mais, mais, quand même, j'espère moi qu'on va reprendre la Coupe, hein, parce que là, on doit garder euh, vraiment euh, le cap pendant 3 ans, 4 ans. Ça ne t'inquiète même pas. Euh, c'est pas pour décourager les Sénégalais. En tout cas, je souhaite que le Sénégal joue la finale contre la Côte d'Ivoire. Mais les dernières statistiques disent que l'équipe qui a remporté deux fois d'affilée, il y, a très longtemps, peut-être encore, peut-être Seda Senghor vivait encore. Donc, il faut laisser ça tomber. Venez, on va vous donner la médaille d'argent et puis vous allez repartir avec tu ça. Parles, tu parles des champions d'Afrique, hein Non, non, non, mais je sais. Mais tu parles de Sadio Mané, hein Vous avez trop fait. Vous ne pouvez pas rafler quatre Coupes d'Afrique en un an et puis venir chercher encore, les gars. À un moment donné, laissez les autres manger aussi, là. <laughs> Hein? <laughs> En tout, cas, merci beaucoup. Mais juste dernière question. Euh, que comptez-vous faire en tant que porteur de voix, en tant que promoteur d'événements, en tant qu'une autorité également de ce pays euh, concernant la Coupe d'Afrique C'est des fan zones, c'est quoi Oui, tous les acteurs culturels ivoiriens et même, je dirais, africains s'investissent pour que cette Coupe d'Afrique-là soit une réussite. Ce n'est pas la Coupe d'Afrique de la Côte d'Ivoire, c'est la Coupe d'Afrique tout court. Tout bon Africain veut que cet événement soit à la hauteur des événements européens que nous voyons. Donc, nous mettons les bouchées doubles. Nous, culturellement, on va jouer notre part, parce que la première valeur de l'Afrique, c'est sa culture. Culturellement, on va mettre le plein, on va mettre le paquet pour que ce soit une réussite. Après, la balle est dans le camp des sportifs qui nous offrent un beau spectacle, c'est tout. Qu'est-ce que vous pouvez attendre euh, pour vos prochaines sorties pour le groupe ben, écoutez, pour le moment, on est plus concentré sur la construction d'écoles que d'albums. Et on essaie aussi euh, de préparer activement notre tournée qui va commencer euh, dès le 3 juin, notre tournée mondiale. Et puis, euh, voilà, on prépare encore un album qui va certainement venir donner du plaisir à nos adeptes qui nous attendent depuis longtemps. Donc, on leur dit qu'on arrive, on prépare, on est au laboratoire, et que quand tout sera prêt et qu'on aura fait l'échographie, on leur donnera le sexe de l'album. <laughs> voilà. On dit premier Gaou n'est pas Gaou. <laughs> C'est deuxième Gaou qui est Nyatao. C'est dans ma galère que la tout m'a quitté. Oh. C'est dans ma galère que la tout m'a quitté. Oh. Quand j'avais un PO, oh, matin, midi, soir, on était ensemble à la rue Princesse. Mais on dit premier Gaou n'est pas Gaou. C'est deuxième où qui est Nyatao en le Sénégal. On vous attend ici. On va vous gagner. Venez chercher votre médaille d'argent. La chanson qui a révélé bien sûr ce groupe mythique euh, d'Afrique. Asalfo. merci en tout cas. L'ambiance continue à Côte d'Ivoire. Voilà ma gars yi ñoo ko donc se poursuit tranquillement festival Bangui Diak. jax mu continuer dañuy donc encore xamante ne fierté nationale euh, C'est une légende vivante euh, muy elage Babamal, Baba Mal moom invité d'honneur donc ci Fimbuya bi festival des musiques urbaines d'Anamabu Je tamit Baba Mal également encore xamante ne il fait partie des têtes d'affiche de ce grand festival invité d'Asalfo, moo taxit en tant que fierté nationale chaîne nationale ñeu accompagner ko gungé ko fekk si ko hôtelam laaj ak tontu dox sama diggante ak mom dañu daldi euh, jëli Baba mal daldi dans un instant demat yeneen endroit également ngeen top mo mu jox len euh, donc les plus belles coins d'Abidjan c'est parti la cérémonie d'ouverture de ce grand festival. Euh, ça fait plaisir donc de retrouver la légende vivante, donc la star planétaire, donc Mouchia Babamal, euh, qui est l'invité d'honneur de ce grand festival euh, Fumuya. Donc Babamal, bonjour. Bonjour. Euh, nak Abidjan Abidjan <laughs> Dey, mhm. Ah oui. Ok. C'est vrai que vous êtes euh, l'invité d'honneur de ce grand festival des musiques urbaines, euh, donc euh, d'Anamo, hein, un grand festival de la 15e édition. En tant qu'artiste, qu'est-ce que cela représente pour vous Mais c'est beaucoup de choses. C'est un festival qui se passe sur le continent africain. Mhm. C'est un festival qui se passe à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais c'est un festival initié par mon jeune frère Assalfo et qui m'a invité. Il fallait que je vienne. Mais c'est un festival aussi qui nous parle de la sécurité alimentaire et l'agriculture durable. Tout le monde sait que moi, c'est mon thème de... que je porte dans mon cœur parce qu'il y a le Nanka qui s'appesantit sur l'agriculture, mais une agriculture durable. Et je voudrais vraiment euh, savoir ce qui se dit ici, mais qu'est-ce que les gens aussi retiendraient du concert que je vais donner ce soir. Et c'est pourquoi je suis venu à gens. Vous êtes nommé récemment donc, ambassadeur des, Nations Unies pour la désertification. Qu'est-ce que cela représente pour vous et quelles seront les perspectives Mais avec beaucoup de plaisir et FEMIA, d'ailleurs, c'est une porte d'entrée parce qu'on parle de euh, l'agriculture durable. Et cette nomination, c'est pour lutter contre la désertification, euh, lutter contre la dégradation des terres, donner plus d'opportunités aux femmes pour avoir des terres à cultiver, avoir leurs propres projets, pour pouvoir nourrir leur famille. Dans le FEMIA aussi, on parle de la sécurité alimentaire. Et je pense que euh, à Salfo, on s'est rencontrés ici durant la dernière COP qui, euh, s'était passée à Abidjan. Et on était tous là pour soutenir bon, cet élan de solidarité pour lutter contre la déforestation, pour parler de, l'impact du changement climatique et de comment faire face à tous ces fléaux. Et ça me permet de donner la main avec des personnalités comme lui et avec d'autres musiciens aussi que j'ai rencontrés ici. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de la bande du Sahel, du Burkina Faso, des autres pays. Et nous comptons sur tout un chacun quand même pour avoir des résultats ay ci solo parenthèse le monde. rek xam nga boo ñëwee dëkk boo xamante ne dañuy làkk nasaraan waaw <laughs> euh, nous sommes sur la RTS 1 la chaîne d'heure. donc on est dans Begleen donc l'émission euh, de la jeunesse c'est vrai que l'émission euh, qui a beaucoup de cibles d'ailleurs ah ñu bëri donc mu nekk rendez-vous boo xamante ne gars koy xaar tous les samedis on a fait le tour d'Abidjan déjà donc ñu won euh, la cérémonie d'ouverture ñu won leen également euh, l'organisateur Asalfo donc on a également à rencontrer les Magic System ñoom ñooy organiser d'ailleurs festival bu mag bi di tay nak ñu fekk ci euh, Baba mal donc fi ci hôtel am wara produire ci kanam tuuti donc ci guddi gi euh, donc euh, ba tey ci bir Abidjan donc concernant ce grand festival Baba mal tay nan la gaay mënu xaarane tay ci sa ci sa entrée hein côté <laughs> spectacle hein donc côté côté côté son et lumière hein lan ngay wax fans yi. li may wax fans moy na ñew mhm. la communauté sénégalaise m'a leen di invité. Mhm. D'ailleurs, accueillir nañ ma bu baax baax au niveau de l'aéroport mais en même temps mangi wax le euh, public ivoirien bi xamni xamna len bu baax parce que depuis suis venu à Wango Arti avec Silla et Tara dama fi vraiment fréquemment di ñëw di participer ci ay émission de télé ñi fi nek samay xarit lañu. Mm-hmm. Asal fu euh Alpha blondi sama N'atangola et euh, ce public je connais. mais aussi Abidjan je sais, que la plateforme les Ghanais, les Nigériens, les africains les Burkinabés, les Maliens tout le monde est là. et moi, je joue pour le Sénégal mais je joue aussi pour le continent africain. Mm.

On va essayer de tout mettre sur la scène pour que jeunes, parce que c'est des jeunes. Hein, ça promet quoi ah, Ça promet. Ouais, ouais. Mhm. C'est vrai qu'aussi, euh, nous, nous là en tant qu'invité d'honneur, en tant que euh, légende de la musique sénégalaise, ou mhm. africaine même, je dirais. Mm -hmm. euh, nous invitons là de l'invité d'honneur, qui festival Botolni, n'est euh, que 15e édition. de qu'est-ce que représenté pour artistes Bouménéo Il faut que les jeunes générations ont un respect pour nous, ce que nous faisons. Je ne dis pas Mal, mais c'est ma génération parce que fuñu dem vraiment génération li ngeen comme buntu ñun nañ mesurer. donc euh, honneur le mais le aussi parce que daf may permettre aussi ma quelles sont les nouvelles tendances génération que nek ci après j'ai vu une jeune euh, du Burkina qui faisait un très bon show show la daf def balance donc euh, exactement ah, musique africaine fi mu tollu fan la jëm ak ak lan lañ ci wara a bu ba mu gën jël place am sur le plan international C'est industrie de la musique parce que au finish industrie là. Ah. mais di remercier aussi festival yu melni parce que festival yi day tax ñu gën di mën di suñu biir di rencontrer dans les hôtels di se retrouver au bord de la scène di apprécier ku ci nek ci li def donc et tout cela c'est c'est pour que maintenant que duñu duñu dajé à l'extérieur mais continent africain la ñuy parce que le plus souvent ñun ñëpp extérieur lañ doon dajé mais légui c'est sur notre continent. justement en parlant de festival yaa ngi initié un festival bu mag euh, les Blues du Fleuve. les Blues du Fleuve euh, am euh, vers la région nord du Sénégal. donc mu nek festival boo xamanteni aussi c'est devenu international mondial même. bien sûr mun nañu sax bokk nga ci ñi inspiré organisateurs yu mel nii di di festival. Hmm. bokk nga ci yow ñu leen inspiré à travers festival des di les Blues du Fleuve. ñu gis ne daaw tamit festival bobu amul. Hmm. donc xam nañ li ko waral duñ ci ñëwaat. Hmm. est-ce que ren ji mën nañu xaarandi festival bi amaat dañuy boole bu daaw bi ak bu ren bi yëpp organiser ko li ñu jotul woon def daaw ah. incha allahu rabbi dinañ ko booleeg si li nga xam ne si diggante bi jos nañ ko gis te bokk hmm. indil sénégalais yi ah. bokk indil africain yi def ko incha allahu rabbi ci Blues du Fleuve bii di ñëw à Podor kon ren lan lañu mën a xaar ci festival boobu comme innovation comme que daaw amul ren dañuy boole ñaar yëpp amee ah, il faut innover il faut par exemple ñu gën a Euh, Accentuer sur l'organisation elle-même euh, par exemple les scènes nous mm-hmm. organisons aussi la réception des artistes mais en même temps il faut que nous organisions, en tout cas sur la population offrir au festivalier que le festival le une importance c'est vrai que ce festival de musique là, des professionnels qui viennent mais en même temps population une y qui ne le fleuve Sénégal jógee Mali la Mauritanie la Guinée faisons que c'est au Sénégal nous avons des prestations qui sont différentes facettes de culture bi yenen ak yenen naar yi ah. tout wolof bambara même ne suñu cousin les séeréer yi viennent culture ethnique ñëpp ñew ah, ñëw waa yi dañu ñëw très souvent accoutrement que <laughs> donc euh, ku fa ñew ku nek di nga am lo jàng lo sétane au delà des artistes professionnels qui mm. viennent pour jouer tu verras l'Afrique quoi en fait tu verras l'Afrique mm. mais l'Afrique une Afrique positive mm. parce que c'est di nga fa téwé aussi ak ay discussion ay waxtane yoo xam dañuy waxtane ITM ñu ñu interpellé sur les changements climatiques un impact nous avons ñuy loxo les jeunes surtout pour euh, dem vers euh, euh, protéger suñu environnement nak la recyclage li nga ne pour ne pas polluer suñu environnement ñëpp ñëpp di engagé wu en tout mm-hmm. pour Afrique nekk benn li ñuy wax en anglais Africa clean Africa green mooy Afrique bu set wecc mm-hmm. mais Afrique bu verte mm-hmm. avec tout reboisement et tout cela donc loolu ah, c'est un slogan du festival. Okay. Baba Mal, porteur de voix, Baba Mal, un grand chanteur, mais Baba Mal, il mhm. euh, y ah. <laughs> a un Machallah, il y a une affaire qui moi Nous sommes d'accord également avec la fondation Mouya mhm. euh, euh, Nanka, mhm. fondation Bohamatane Gisna, nous vraiment yangi dem vers le nord, déjà appelé Sénégalais Yufanek, qui a une motopompe, ah. donc qui a une forage, à Yenen. Nous avons vraiment innovation, qui a une appelé madame population rurale bien. Ah. Est-ce que l'idée est au début? waaw idée bi ah. c'est c'est c'est fa laa juddoo ok foofu laa màggee fa jàngee way liñ ma jàngal moom laa tub moom laa def sama sama sama yóbbal def naa loolu lañ koy waxee ci wolof mm. dem ci biir àdduna bi ñu xama ubbil may bunt yu bare donc fallait que ma delloo si quelque chose boo xam dama koy partager ñoom au delà de musique bi donc il fallait au moins ñëw seet dans le plan du sur le plan du développement ñoom li ñu gën a soxla Le développement sur le continent africain nous ci génnee mbay Sam d'abord et parce que nous suñu mais nous devons d'une façon assez moderne et puis inciter les jeunes mm-hmm. pour nous bañ ah. que nek di jiw ay soble wala di ki ni xaruma ci dara soxluma ci dara dudul dul donner un bon exemple hmm? à la population donc hmm? lolu peut-être dina inciter un autre jeune à le faire mais justement motax ñu gis récemment ñu nommé festival bobu noonu parmi les quatre trusts du monde moy hmm. euh, confiance où c'est pas donné à tout à à tous les fondations toutes les fondations loolu tey euh, fondation Nanka ñu nommé ko tay ci trust trust moy manam quatre trust mo am ci monde ci monde bi côté euh, fondation est-ce que lolu tamit xaaru nga ci lolu bi ngui koy créer xaaruma ko ci mais gis ci mhm. parce que même ñi nga nekk ñu Angleterre bi ñu di pour nous, ko ci euh, pour mu mhm. dañu d'habitude na jël au moins quatre ans peut-être 5 euh, ans pour la ñu ñuy mais ça a pris moins d'un an mhm. ñu accepter parce que si idée bi pas sax fondation bi di mais concept bi nga culture jël musique au service du développement je pense que réew yop suñ ko dana am changement dans cette donc euh, je pense que le concept bi mom ok Baba parce que da nga jouer ci kanam donc diñ lay jitu ñun ñu ngi lay xaar caméra ci scène déjà <laughs> promettre donc spectacle son et lumière bu doy war nga rendez-vous Côte d'Ivoire surtout la communauté bari na fi ngi fi ngi fi un peu partout en Côte d'Ivoire mm. vraiment ngi li nga ñom accueillir nañu biñu arrivé au niveau de l'aéroport won ñu seen bété fekk fi yenn personnalité sur le au consulat à l'ambassade suñu xarit comme Saïboto Aw c'est toutes des personnalités qui ils ont toujours accompagné le Dande merci beaucoup Baboumal. donc li Beklen à euh, Abidjan li mooy euh, FEMUYA donc festival des musiques euh, urbaines d'Anamo mu festival bu doy waar boo c'est la quinzième édition ñu ngi jaajëfal donc Omar Wade ci yombal bi ci côté liggéey bi waaye tamit jaajëfal xarit donc Modou Fall donc ci coordination bi jaajëfal Khady Dia ah, ci caméraman donc daanal jigéen ju mon góor la Khady Dia moom donc depuis le début de cette émission pareguñ nag ah tàggataguma de damay jaajëfal sama gars rek mais dañuy enchaîner dem seeti Baboumal sur scène daal di wàccaat duggaat Abidjan ñëwaat ak yéen incha allah ci li nga xamante ne moom mooy euh, bëgg leen à Abidjan topp leen ma.

Look you la jamiana la

dañuy kontaan on est heureux t'es heureux da ngay xool lu mu wax kenn wala laaj la lu mu wax ça se passe. oui vous appelez comment. Kamara Aïcha. mais tu es toute stylée là. Hein. qu'est-ce que tu as fait dans ton visage là c'est quoi. c'est le maquillage. c'est le maquillage. c'est quel genre de maquillage là. c'est une dame qui m'a fait ça. Make up 2023. Ouais, ouais, on peut ça. Est-ce que ça va toujours. c'est ta création ça. Oui, ça va bien. Pour, pour une belle affaire. Je peux que dire que oui, oui. pour qu'un concert ou un festival, festival FEMOA 2023, vous êtes, vous êtes là euh, Pourquoi Pour euh, en, tout cas, la programmation pour les artistes que j'aime bon, Elles aiment comme ça, je l'aime donc je suis là pour lui Justement, il y a l'artiste sénégalais qui est invité d'honneur, pas Mal, qui doit monter tout de suite là. Qu'est-ce que tu attends de son spectacle par exemple Alès est content. Bon, un Il bon est en tout cas, de l'accueil que vous lui avez réservé. Tu kiffes la musique sénégalaise ouais, oui, le cas oui. Moi, j'aime le Sénégal. Je rêve d'aller là-bas en visite. Pour célébrer tout, genre, qu'est-ce que ça, les vêtements, C'est euh, la 15e édition. Oh. Thank you. maa ngi lay ça se passe. ça se passe xanaa kontaan rek en tant que sénégalais fier ci prestation au Baba mal, c'est une star planétaire mondiale il a déchiré comme on dit chez nous. yaay borom dëkk bi looy de ci FIMOA bi. Euh, je suis membre du comité d'organisation euh, chargé euh, je suis membre du comité d'organisation chargé du pays invité d'honneur en tout cas euh, merci ci coordination bi merci également ci accueil bi euh, accueil de chaleureux déjà donc vraiment nous voulons lay jaajëfal ci euh, li nous teeroo teral ñu toppatoo ñu kii moo waral lépp nag ñu ngi koy bëggee lan mooy waaw Abidjan Edou, Comment on dit chez nous. Je suis avec un journaliste culturel du Congo Kinshasa bonjour monsieur. Bonjour, je suis monsieur Zachary Bababassé de j'ai travaillé 30 ans à la télévision nationale maintenant je suis patron de Direct TV. Euh, je suis ici comme invité d'honneur du FEMUA 15. Et j'accompagne aussi en même temps les, deux artistes congolais qui ont été programmés, notamment Alech et Ferregola. Et bien entendu, comme dans la ville, il y a aussi le grand Kofi là, L'impression, c'est que chaque année, depuis sept ans, je viens là, chaque année, on sent que le FEMUA est en train de prendre euh, une dimension intercontinentale en donnant l'occasion non seulement aux jeunes talents, mais aussi aux grandes célébrités africaines de pouvoir avancer. Justement, en parlant de télévision nationale, il y a la chaîne sénégalaise aussi qui, a fait le déplacement euh, pour accompagner l'artiste Babamal également, qui fait partie des invités d'honneur. Euh, comment vous avez trouvé le show de Babamal J'ai découvert euh, l'artiste Babamal à Paris une fois la nuit africaine. J'étais maître de cérémonie il y a quoi C'était en 2011, donc il y a quoi Il y a 12 ans, au Stade de France. C'est un artiste qui inspire beaucoup de jeunes, qui a une profondeur, une sagesse qu'il transporte dans ses chants et dans tout ce qu'il fait. Il a une certaine intensité, une certaine profondeur de, l'âme africaine. Et j'ai vu ce soir, là, euh, le même Baba Mal avec euh, un arsenal, j'appelle ça comme ça, d'artistes et qui ont euh, à la fois rendu le spectacle assez émouvant face à tout, à, à, centaines de milliers de personnes se sont déplacées. Donc je pense que oui, euh, le Sénégal aujourd'hui, le pays de la négritude, ce soir a donné euh, quelque chose d'extraordinaire à ce festival qui grandit chaque année. Voilà, on est avec Elage Babamal. Donc euh, après le show, un spectacle vraiment assuré, le public a vraiment répondu. Vos impressions par rapport à ce grand show Mais je suis content de voir un public aussi jeune répondre à euh, l'appel d'un musicien aussi âgé que moi. Et je vois qu'il y a une continuité dans l'amour qui existe entre le public et les musiciens africains. Et euh, Abidjan, c'est chaud, le public est chaud, et nous, c'est ça qu'on veut. Au-delà des thèmes que nous dégageons, nous parlons, nous échangeons sur les thèmes qui nous interpellent, mais aussi il y a l'ambiance, il y a la fête. La musique, ça se fait quand les gens sont heureux, ont envie de danser, de chanter avec vous. Et je suis très content. mal toujours une véritable bête de scène, hein, donc côté chorégraphe, côté chanson, côté show. Vraiment, c'est quoi le secret au fait Depuis tant d'années, véritable bête de scène, Babamal J'ai mon secret que je garde, mais il faut dire aussi que je travaille beaucoup ma chorégraphie. Euh, je fais un peu de gym, je fais mes mon maintien physique et je pense c'est important, mais il y a surtout le calme dans la tête donc pour, avant les concerts. On a constaté qu'il y a une chanson Black Panther là, où vous partez, vous reprenez ça et les gens aiment bien. Qu'est-ce que ça vous fait réellement en tant qu'artiste sénégalais ça, fait comment Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont redécouvert Babamal à cause de ce film Black Panther et Wakanda Forever. Et c'est ce qui les a amenés à les fouiner encore davantage ce qu'il y a eu avant il fallait quand même leur donner le privilège d'écouter Black Panther, même si on n'a pas tout l'arsenal euh, musical d'arrangement derrière Black Panther, mais il fallait, c'était des rigueur. Parce que même Assalfo dans la pub a dit que même si l'actualité va mal, c'est Black Panther ces temps-ci, mais c'est quand même un artiste sénégalais Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il faut la jeunesse sénégalaise, les jeunes musiciens sénégalais, il faut qu'ils rappellent les, légendes. Qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'un artiste légende du Sénégal participer à ces grands festivals. Et parfois, ça fait mal de voir ces jeunes artistes-là. En tant que père, en tant qu'une que légende, qu'est-ce que vous allez à, à leur dire exactement Non, de, de, s'approcher vraiment de ces festivals. Parce que très souvent, nous allons à l'extérieur, nous participons dans des grands festivals, alors que nous devons être tout le temps en face de, de, notre population, de nos communautés, pour parler de l'Afrique. Et je pense que ça devrait montrer à ces jeunes euh, artistes africains qu'ils ont une responsabilité comme nous. Parce que quand nous cesserons de chanter, il faut, qu'ils continuent quand même à tenir le flambeau de la culture africaine, mais aussi de représenter l'Afrique et de parler des choses qui les interpellent. Et c'est dans ces occasions qu'ils peuvent le faire. Parce qu'il y a la presse, il y a le public, mais aussi l'opportunité de s'exprimer, d'exploser sur la scène. Merci beaucoup le monde, tout le monde. Yes, comme ça. voilà c'était votre émission Beglen, ici à Abidjan donc euh, Limoy Beglen, beglen Leen gars yi xam naa fi nañuy jaar donc nous. leen donc euh, RTS c'est pas pour rien que nous donc la chaîne des grands événements moo tax grand événement événements rek ci àdduna que ce soit Abidjan que ce soit Cameroun Togo Paris hein, à Belgique Amérique.

la nga xamante ne jigéen bu mën góor la macha allah donc moo géré son bi géré image bi géré réalisation bi géré lépp ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci moom euh, di leen jaajëfal di leen jox rendez-vous incha très vite sur la RTS 1 la chaîne leader en vous souhaitant un bon week-end maa yéen soo leen déggee dégg leen dégg leen soo leen déggee damay reetaan